lerufisquois.net ñëpp jàpp ni site internet boobu liggéey bu mucc ayib lay liggéey ci mim réew lerufisquois.net présent

donc je suis le porte-parole du comité pour la réhabilitation du stade Galadou Voilà, donc euh, ce matin on s'est réunis donc, avec euh, l'ensemble des, des euh, donc l'idée c'était de réclamer haut et fort la livraison sans délai du stade Galadou il faut dire que depuis six ans, le stade est fermé et la jeunesse est prise comme otage. On a euh, déroulé une, démarche très responsable. Euh, depuis le début, on a rencontré les, responsables qui avaient en charge de ce projet. Aujourd'hui, euh, on n'est plus en mesure de contenir cette vague de mécontentement et d'amertume. Donc voilà, aujourd'hui, euh, la tension est montée d'un cran. Et aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que euh, la jeunesse est en train de s'agiter. Et nous, en tant que euh, coordonnateurs de ce mouvement, on n'est plus en mesure de garantir qu'on continuera à, en tout cas, à calmer cette, foule, cette vague de mécontentement. Et, à partir de cela, on interpelle directement le président de la République, Macky pour qu'il se saisisse de ce dossier et que ça soit réglé. Rufisque réclame son stade et que l'on voilà, la jeunesse veut reprendre ses activités sportives. Voilà. Donc aujourd'hui, on a entendu euh, euh, un feedback euh, disant que l'État n'a pas été impliqué par rapport à ce, dossier. Nous, nous disons ce n'est pas vrai parce que c'est un projet qui a été piloté depuis le début par l'AGTIP, l'ADM et la mairie de ville. Et nous tous on sait que un projet d'une de, si grande envergure ne peut pas être mené dans une ville comme Rufisque sans la supervision de l'État. C'est impossible. Donc en premier lieu, le ministre du Sport, Matarba, nous l'interpellons directement et je vais le dire clairement. Aujourd'hui, Rufus déclare personnellement non grata le ministre du Sport. Il n'a plus, quoi en tout cas nous, en tout cas au niveau du collectif, on ne veut plus le rencontrer par rapport à ce dossier. On veut directement que le président de la République se, saisisse de ce dossier. Voilà. Ok. passe au mutisme euh, des autorités, quand euh, vous allez à la vitesse supérieure euh, Voilà. Donc là, aujourd'hui quand même, le constat il est parti de là. Le mutisme des autorités en en, commençant par le leadership local, euh, nous, nous, on l'a tous condamné. Hein. Et d'ailleurs, c'est ça qui a suscité aujourd'hui cette prise de conscience collective de la jeunesse qui s'est dit à un moment, écoutez, les leaders, les leaders qui sont à Rufisque, les politiques ne sont pas capables de porter ce combat. Nous, Rufuscois, nous, jeunesse de la ville de Rufusque, nous allons porter ce combat et nous sommes confiants que nous arriverons à avoir gain de cause très rapidement mais, clairement, clairement, le président de la République a séjourné pendant 4 jours au niveau de Rufisque. On n'a entendu aucun leader, aucun homme politique de Rufisque aborder le problème, le dossier du stade Galadou. Et, même nous, on a été surpris d'entendre le président, alors qu'il était à Rufisque, parler du problème du stade. Euh, double Dakar, alors que nous, au niveau de Rufisque, on est, on, est, très mal barré. C'était écœurant. Et, voilà, donc aujourd'hui, c'est pour dire qu'aujourd'hui, la jeunesse fiscale est debout comme un seul homme pour réclamer la livraison sans délai du stade Galadou.